forum du le forum du le forum du le forum du le forum du 8 h 15 dans le studio Kalangou. Monsieur, dames, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou. Au micro, Nefis Adamo Sirfo. Et merci de suivre nos programmes à travers nos 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger le forum du studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lesquels des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Nous sommes à l'entame du jeûne du mois béni de Ramadan. Tous les ans, des millions de musulmans jeûnent durant la journée, prient la nuit et lisent longuement le Coran Bref, l'activité spirituelle des fidèles est intense tout le long du mois sacré du Ramadan. Origine et signification du Ramadan est la thématique d'aujourd'hui. À quelle période et dans quelles circonstances les musulmans ont commencé à jeûner En quoi consiste le jeûne du Ramadan Ses origines, sa signification quelles en sont ces prescriptions Comment se fait la pratique du jeûne par les fidèles musulmans Avec nous pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres, Oustaz Haladou Yahya, il est prédicateur. Salam alaikum Oustaz. Alaikum salam wa Et merci d'être venu. Merci Oustaz de nous avoir honorés de votre présence. Le jeûne du mois béni de Ramadan vient de débuter. Pendant un mois, les fidèles musulmans sont appelés à jeûner, autrement dit s'abstenir de manger et de boire du matin au coucher du soleil. Oustaz, à quelle époque le tout premier Ramadan a débuté Wa wa والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ashabi أجمعين ومن man بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. et eh, alhamdulillah nous, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver une fois de plus pour évoquer un thème relatif euh, à notre religion euh, mais aussi nous le remercions davantage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 le jeûne comme nous l'avons prescrit aux communautés qui vous ont précédé, peut-être attendrez-vous la piété. Donc euh, à travers ce verset, on se rend compte que des communautés avant nous ont observé le jeûne. Et, mais le jeûne du mois de béni de Ramadan a été euh, révélé, recommandé la période euh, médinoise. La période médinoise, ça veut dire, mm. c'est la période de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine après l'Égir, donc à l'an de l'Égir, plus précisément. Donc c'est à cette euh, date-là que commence le jeûne du mois béni de Ramadan. quelles sont les origines même du, du jeûne du Ramadan Bon, les, euh, les, origines, elles sont très profondes. D'autres communautés ont exercé. Allah subhanahu wa n'a pas précisé. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a d'autres communautés qui ont exercé, mais n'a pas été précisé quelles sont ces communautés. Dans quelles circonstances les musulmans ont commencé à jeûner Est-ce qu'il y a une spécificité Bon, la spécificité, c'est que euh, on sait que de l'autre côté, la vie des compagnons du, prophète et de leurs compagnons, à leur époque, il n'y a ni vélo, ni moto, ni voiture, ni congélateur, donc euh, ni progrès scientifique euh, tel que nous le connaissons. Et il y a également presque la précarité, même s'il y a des riches, mais il y a la précarité mais il y a également, euh, d'un point de vue social, c'était des communautés, la communauté de la péninsule arabique, c'était des communautés qui étaient attachées à l'esprit clanique. Donc euh, euh, la précarité aussi, il y en avait. Parce que dans certains hadiths, on retient que le prophète lui-même ou les compagnons pouvaient passer euh, des jours, voire même des semaines sans que la marmite monte chez eux et sans, sans manger quelque chose de consistant. Et on retient aussi, d'après certains hadiths, que il y a des moments où, il pour pallier à cette faim-là, euh, de leur ventre, euh, de placer des pierres sur leur ventre attaché pour pouvoir un peu euh, soutenir leur corps et pour pouvoir continuer notamment à faire les efforts de la vie quotidienne et les efforts de la religion pour la propagation de la religion. Donc euh, le contexte, on sait que donc euh, l'islam était venu étranger dans cette communauté. C'est même ce qui a expliqué l'égir de la Mecque à Médine. Mm-hmm. Donc, euh, avec tous les tiraillements entre les mécréants et le prophète Mohammed sallallahu alayhi Donc, la communauté n'était pas large, c'était à un début, et avec toutes les critiques euh, qu'ils ont connues, mais aussi la menace d'être exterminés. Parce que on sait que, euh, rappelons les cas, le prophète a effectué l'égir les politistes de la Mecque avaient promis 100 têtes de chameaux riches mm. pour qu'il le ramène ou ramène sa tête. Mm. Et il y a eu même des inscriptions pendant des années et pour pouvoir, euh, dans le but d'exterminer la communauté euh, musulmane qui est partie, la petite communauté qui est partie à Médine. Donc tel est un peu le contexte, non seulement euh, il y avait dans l'esprit clanique d'un point de vue traditionnel, mais il y a la précarité de la vie, euh, mais aussi euh, donc le musulman dans le contexte où ça a été descendu, les, les musulmans étaient donc c'était des étrangers à Médine et il a fallu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam organise donc une forte fraternité islamique entre ce qu'on appelle les Ansar et les Muhajirin. Mm. Les Muhajirin, ce sont ceux qui ont fait l'égir, qui ont quitté la, Mecque, voilà, pour la Médine. Et les Ansar, ce sont ceux qui les ont reçus. Donc, euh, pour pouvoir continuer dans la solidarité, à mm. continuer dans le soutien mutuel, l'entraide Michel, à continuer l'effort de la propagation euh, de l'islam. Donc, euh, d'un point de vue traditionnel, les guerres que d'ailleurs le prophète est venu éteindre avec mhm. sa médiation, elle a trouvé des communautés juives qui ne s'entendaient pas pendant des années. Et même dans le, plus précisément à Médine, il a trouvé un contexte de guerre, euh, disons qu'on peut qualifier de séculaire, donc à la Médine même. Donc euh, le contexte euh, est tel que ce n'était pas si facile, il fallait avoir, il faut tout simplement se dire que la force de la foi des Sahaba a prévalu avec l'aide de Allah subhanahu Oui, merci Oustaz. Le mot Ramadan, même avant d'être euh, un mois sacré de la religion musulmane, il doit nécessairement avoir une signification. Quelle est donc la signification du mot Ramadan le plus simple qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut dire, et au fait, euh, il y a le sens de l'arrêt, euh, de pause et d'abstinence. Un premier sens et un second, ça c'est un résumé, c'est un méchant résumé. Et il y a le sens de, de, de s'élever spirituellement, comme on l'a vu dans le verset peut-être atteindrez-vous la piété. Donc s'abstenir, il y a des choses pour réussir à Ramadan, il y a des choses auxquelles il faut s'abstenir. Le boire, le manger, les relations charnelles, mais retenir la langue et, et, bien d'autres actions directes. S'abstenir de bien d'autres activités, Pas seulement manger. et pas seulement manger et boire, mais aussi euh, faire l'effort mener des activités pour pouvoir s'élever hmm. spirituellement. Donc peut-être attendrez-vous la piété. Donc il y a des actions à entreprendre. S'abstenir pendant 11 mois il y a des actions qu'on faisait. Donc sans, sans barrière ni limite, à tout moment on peut poser café, à tout moment on prend café, à tout moment on peut, on peut choisir de manger, de boire, mais il y a une pause annuelle du mois, pendant euh, le mois de Ramadan de 30 mm. ou 29 jours en fonction de l'apparition du croissant lunaire. Donc maintenant, il y a les actions qui consistent à s'élever, à s'approcher à plaire à Allah, à chercher son agrément. Donc, à résumer, c'est ce qu'on peut dire du sens du mois de béni de Ramadan. Le mois même du Ramadan, euh, il s'étend souvent de 29 à, 30 jours. Et donc, euh, pour évoquer le mois du Ramadan, donc il est essentiel d'avoir euh, à, l'esprit le fonctionnement du calendrier musulman. Donc, comment fonctionne ce, ce calendrier Oui, ce calendrier, il a été précisé. D'abord, le mois lunaire a été évoqué dans le Coran. Ça, c'est très important. Il a été évoqué dans le Coran et c'est le prophète Mohammed qui l'a qui a expliqué son fonctionnement. Mais c'est surtout après lui que les compagnons du prophète et à la suite d'une choura qu'il a été retenu le calendrier musulman. Donc que ça doit commencer à partir de la dette du légir. Donc le moment calendrier, c'est à ce moment que ça a été retenu et que ça a commencé. Maintenant, quant aux autres précisions, euh, le prophète Mohammed le, le mois, il est précisé, votre mois, c'est un mois de 30, de 29 ou 30 jours. Bon, maintenant, tout dépend de l'apparition du croissant lunaire. Euh, les climatologues, je pense, ou les géographes, euh, ils ont un terme, ce qu'on appelle l'albédo. Et ça, c'est le couvert nuageux, ce qui couvre le, ciel. Ce qui couvre le ciel. Euh, donc, le croissant lunaire peut ne pas être contemplé du fait euh, de, de la, du couvert nuageux ou bien même de ce que ce qu'on appelle toujours ce que les climatologues appellent le nucléus. Le nucléus, c'est cette poussière des villes ou des gaz des villes qui peuvent s'élever et donc euh, former un amas euh, ou une sorte de couche qui peut cacher le croissant lunaire le 29. Donc il a été précisé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa et par Allah, une fois d'abord par Allah, ceux d'entre vous qui arrivent à vivre le mois béni de Ramadan, donc ça, on a contemplé, on a vu le croissant lunaire, donc que le jeûne, que le jeûne, ceux qui assistent, ceux qui ont vécu le temps où c'est apparu. Le 29, on a vu. Maintenant, si ce n'est pas vu, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on compte le, 30, donc on complète 30 jours du mois de Shaban qui est le mois qui précède le mois de Ramadan. Donc ça veut dire, comme c'est précisé, votre mois est 29 et 30 jours, une fois et qu'on complète le 30, dans les conditions où ce n'est pas vu le 29, on complète le 30 Shaban, automatiquement la journée suivante. Le mois, le calendrier, le mois lunaire ne fait pas 31 jours, donc on commence le jeûne et après les 30 jours. Et l'établissement maintenant euh, du jeûne, comment établir qu'on peut jeûner, comment établir le, témoignage. Il y a une sunna du prophète qui est un parfait modèle à suivre. Lui, il a dit travailler avec les témoins d'une personne. L'important, c'est qu'elle soit digne de confiance. En tout cas, si c'est pour le début du mois de Ramadan. Donc, désormais, c'est une sunna qui est la deuxième source de la charia du droit islamique que de gêner dès qu'on nous dit, dès que le Conseil islamique nous dit, désormais, puisque nous formons une même entité, le croissant lunaire Et justement, ça fait polémique ces derniers temps dans nos sociétés, la recherche de ce, de ce croissant lunaire. Certains euh, affirment ou infirment que le croissant a été aperçu alors que ce n'est pas le cas. Comment vous expliquez cet état de fait Qui est apte à, chercher ce croissant et qui est apte à donner l'information même en tant que telle à toute la, à toute la société Bon, en fait, euh, normalement, c'est euh, c'est aux musulmans de regarder, aux musulmans de chercher la lune, la journée du 29, la soirée du 29. On n'a pas, n'a pas fait obligation à tous les musulmans de le faire. Mm. Si un groupe ou quelques-uns le font, et par village, par quartier, euh, ça suffit. Mais il n'y a pas bonne raison de faire polémique. Mm. Nous, le mois là, c'est un mois qu'on attend, plein de miséricorde. Et c'est clair, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est clair comme l'islam le précise. Dans le Coran, Allah n'a rien oublié de mentionner. Il a envoyé un prophète pour nous indiquer la route. Le prophète a utilisé le témoignage d'un musulman pour faire gêner les gens. Donc ça devient une loi pour nous. Et qui a établi ce cadre Le Conseil islamique, c'est un cadre euh, créé par l'État, le, pouvoir central, mhm. mais qui a mis les personnes compétentes des Qui a mis des au devant. Donc, pour s'occuper de cette question. Et aujourd'hui, dans chaque région, ce cadre existe une fois qu'il s'agit euh, du, de, mois de Chaban. Donc, le 29, on commence à contempler. Et dans chaque région, il y a un comité. Et l'information est canalisée. On fait remonter l'information. Nous formons une même entité. On n'a pas à dire que notre pays voisin qui est ici plus proche de nous n'ont pas vu. Donc, euh, <laughs> nous, comment on va voir, hmm. ou bien de l'autre côté, nous formons une même entité. Donc, dès qu'on dit nous formons la même communauté, un même pays, nous avons les mêmes leaders religieux, parce que sur chaque question, s'il nous donne euh, une réponse, permettez-moi le terme, un verdict, des conseils sur une question, sur la prière, sur le jeunes ou autre aspect de notre vie, on accepte. Pourquoi pas le moi et dans une bonne parole, on dit la communauté du prophète Mohammed ne peut pas s'entendre sur une erreur. Donc à partir du moment où c'est bien cadré, toutes les, personnes politico-administratives sont aux alliés, mm. ensemble avec les autorités, les, leaders religieux. Donc, il n'y a pas de raison de, euh, ne pas accepter de mm. polémiquer, mm. dire qu'il faut que moi je vois. Et si chez toi, tu n'as pas vu, et s'il y a eu le nucléus pendant deux jours chez toi, et s'il y a eu l'albédo pendant deux jours sur toi. Donc cette poussière qui t'a caché la lune. Oui, mais est-ce que les leaders religieux même euh, et les autorités locales, euh, ils procèdent à des vérifications lorsqu'une personne affirme qu'elle a aperçu le croissant Est-ce que pour éviter certaines euh, fausses informations Nous, à ce qu'on sache, il y a des vérifications. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, qu'on le veuille ou pas, le cadre organisationnel aujourd'hui des structures il est un peu partout. Les gens se connaissent. Il y a des comités d'eux, des comités d'eux. Toute cette vérification, elle est faite et souvent, ils attendent, même ici à Niamey, mhm. ils attendent jusqu'à 22 heures. Pour savoir, parce qu'on peut avoir un problème de réseau de communication. Et à une occasion, il a fallu quelque part que quelqu'un euh, trouver un véhicule, je ne sais pas, ou une monture pour aller annoncer à un certain niveau. Même dans le cas où ça arrive, c'est pourquoi ils attendent jusqu'à 22 heures. Mais les, les, vérifications, euh, euh, elles sont faites. Et le plus souvent, les témoignages qu'on a qui parviennent, ce n'est même pas le témoignage d'une personne, on dit c'est tel village. Donc ça veut dire que c'est telle localité, c'est tel village, c'est plus d'une personne. Merci, euh, Oustaz. Selon certaines, euh, l'ange Gabriel est apparu au prophète Mohammed lors de, la 27e nuit du mois de Ramadan pour lui révéler le Coran, et c'est la nuit du destin, lettres Qadr. Afin donc de célébrer cet événement majeur de l'islam, ils disent que le jeûne a été instauré. Il est vrai que le Coran a été révélé mm. pendant le mois béni de Ramadan, et Malaika Jibril venait à des occasions procéder à la relecture, à la révision avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. bon, ce qui est sûr, c'est que et, la nuit de l'élève al-Qadr est effectivement une nuit dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé mm. et dans le Saint-Coran. La nuit de l'élève al-Qadr dépasse 1000 mois. Et ce n'est pas le 27 seulement qu'il faut la chercher, c'est dans les nuits impaires de, du mois béni de Ramadan et surtout de la dernière décade qu'il faut chercher euh, cette euh, nuit de les al qu'il faut animer avec euh, les zikr. Plusieurs catégories de zikr le la lecture du Coran, ou d'autres activités bonnes d'entraide, d'aide aux nécessités, etc. etc. Donc, euh, les hadiths parlent de la plus grande probabilité de cette euh, nuit de lettres carades Ils parle des nuits impaires. Mais quand même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa lui animait toute la dernière décade du mois béni de Ramadan. Et il réveillait même sa famille et pour le faire. Et c'est un modèle à suivre. Euh, c'est une occasion pour nous de faire autant pour bénéficier de cette bénédiction de la nuit de lettres ce forum, Oustaz, euh, pendant ce mois de Ramadan, euh, les musulmans ne doivent ni manger ni boire. Comment se fait concrètement la pratique du jeûne La pratique du jeûne du mois béni de Ramadan se fait à travers deux principales activités qui ont des relations avec l'aube et le crépuscule, c'est-à-dire le souhour et la rupture. Donc, le souhou, on doit euh, le faire, et comme le précise le Coran, jusqu'à ce qu'on arrive à faire la part entre un fil noir et un fil blanc, qui doit constituer la limite. Et toute la journée, on doit s'abstenir de manger, de boire. Mais il ne suffit pas de s'abstenir de manger, de boire. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi a attiré notre attention. Il a dit, il y a des jeunes qui n'ont que leur faim. Donc, ça veut dire, il faut retenir sa langue. Et pour bien réussir ces jeunes, il faut aussi savoir retenir son regard. Et pour renforcer les jeunes, il faut l'accompagner par des actions positives. Un travail licite, une activité licite, des actes de solidarité, la lecture du Coran, le rappel d'Allah, le zikr, rappeler la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rendre visite aux malades, aux parents, aux amis, aux nécessités et même aux vieillards, aux faibles. Donc c'est de cette façon qu'on doit assaisonner le, jeune. Le, le, jeune. Et il y a également, puisque le jeune en lui-même, c'est une école. Une école d'autodiscipline, une école d'abstinence, mais une école de générosité. Il est important que le musulman soit généreux pendant ce mois en fonction de ses possibilités, puisque le prophète Mohammed alayhi a fondé cette sunna. Le prophète Mohammed a, tout, alayhi a toujours été large, mais il l'est plus pendant le mois béni de Ramadan. Donc, voilà, à résumer, la façon avec laquelle, la façon on doit vivre le mois de Ramadan pour mieux le vivre. On a parlé de générosité. Mm-hmm. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Vous n'attendrez jamais la piété tant que vous ne dépensez pas de ce que vous chérissez. Donc, et quand on regarde Allah subhanahu wa ta'ala a dit Peut-être attendrez vous la piété. Et ça veut dire que c'est important de faire preuve de bonnes actions en matière d'entraide sur le plan de l'humanitaire vous n'attendrez pas la piété tant que vous ne dépensez pas de ce que vous chérissez. Donc nous devons faire des mm. efforts. Beaucoup de bonnes œuvres. Beaucoup de bonnes œuvres. Et il n'y a pas de limite à cela, mais le prophète Mohammed nous a indiqué que presque chacun, même si celui qui reçoit de l'autre peut faire quelque chose, puisqu'il a dit que il a dit que préservez-vous du fait de l'enfer. Mm-hmm ne serait-ce qu'avec une moitié de date, n'est-ce pas mm. Donc chacun, de proche en proche, il faut s'abstenir de calomnier. Même au cas où on vous invite à la querelle, il faut dire que moi je jeûne. Il faut éviter le colportage. Il faut éviter de calomnier. Il faut éviter de critiquer. Et il faut avoir un bon cœur. un cœur qui consolide les relations un comportement qui réconcilie et maintenant des bonnes actions. Parce que dans l'objectif du jeune c'est nous purifier physiquement, nous purifier spirituellement, purifier les relations sociales. Euh, et, donc, euh, nous donner une santé mentale, physique et même la santé de la société, une bonne cohabitation et semer la cohésion sociale, l'amour, réciproque, la cohésion sociale. Et le prophète Mohammed a dit d'ailleurs, par rapport à cette santé physique et même morale, et jeûner, vous aurez la santé. Mais est-ce que, vous pensez que de nos jours, euh, ces interdits que vous venez de citer sont respectés par les jeûneurs pendant le mois de Ramadan Vraiment, nous prions Allah de nous assister mhm. pour éviter tout cela. Surtout et dans le contexte où les débats politiques euh, occupent beaucoup les gens, occupent euh, toutes les assemblées, la moindre occasion, le sujet du jour, c'est la politique. Et quand on dit politique, il est difficile de ne pas évoquer tel acteur politique, tel acteur politique. Que Dieu nous assiste à surmonter, à nous dépasser, parce que les jeunes aussi, Jeûner aussi, c'est savoir se dépasser, surmonter sa passion, malgré et, euh, les incompréhensions qu'il y a entre mon prochain et moi. Je dois saisir l'occasion, faire l'effort de me dépasser, mmh, de, chercher, mmh, mmh. de lui faire le salam, de, de, lui faire le salam, de chercher le pardon tant que c'est possible, mais, mais aussi de me dépasser. Parce que et euh, vraiment, cette question, euh, elle, est très importante. Tout mhm. ce qu'on peut dire, nous prions Allah de nous assister, à mhm. savoir retenir nos langues, à éviter euh, les passions. Et les raisons pour lesquelles, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, les associations islamiques, 48 heures ou 72 heures avant l'apparition du croissant lunaire, ils ont fait une déclaration dans laquelle ils invitent les fidèles à chercher eux-mêmes le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala mm-hmm. et, et à se pardonner mutuellement. Parce que cela est très important. La miséricorde de Dieu, sa grâce s'acquiert avec le retour de Allah subhanahu wa ta'ala. Mm-hmm. Au pardon qu'on fait aux autres, mais aussi à la bonne coexistence pacifique. Mm jeûner même euh, au stade, euh, on sait, c'est de l'aube au coucher du soleil. Euh, cette manière de jeûner, est-ce la même méthode au temps du prophète Mohamed Là, c'est la même méthode. Au fait, c'est la même méthode et c'est ce que nous ont, c'est ce que les hadiths nous ont rapporté. Ce que les hadiths nous ont rapporté, c'est la même méthode donc, sans restriction, on est bien cadré quant à la prise du souhour et on est bien cadré quant à la rupture, même par rapport aux invocations qu'on va prononcer. Mm-hmm. Donc, c'est pourquoi, et d'après euh, certains hadiths, il faut précipiter la rupture du jeûne non pas euh, rompre le jeûne avant que le soleil se couche, mais ça veut dire qu'il faut observer le juste milieu. Il ne faut pas retarder pensant qu'on va réussir ce jeûne, mieux réussir ce jeûne, mm. jusqu'à l'apparition de la nuit. Euh, mis à part les interdits pendant le mois de Ramadan, Oustad, expliquez-nous les facteurs qui peuvent gâter le jeûne du musulman. Oui, les, facteurs qui, peuvent gâter, comme on l'a vu un peu plus haut, il y a les critiques, le mm. prophète a dit. Il y a les critiques, il y a également euh, le fait de d'avaler quelque chose. Mm. Un aliment. Un aliment. Euh, et surtout de le faire sciemment. Il y a le fait d'avaler un aliment mais le, le, le fait qu'on salive, qu'on salive seulement, il ne faut pas. Il y a des gens qui salivent quand ils le font seulement, il ne faut pas accumuler, accumuler pour avaler. Avaler la salive, ça n'est ça gâte. Mais il y a euh, également donc le fait que quelque chose rentre dans le corps par cœur et sans contrainte majeure, par exemple, une injection. Le fait d'avaler quelque chose, le fait, ça c'est à résumer que quelque chose peut naître dans notre corps qui peut nous alimenter par la bouche et même par quelques trous que ce soit du corps qui peut alimenter. C'est de façon générale ce qui peut casser le jeûne. Mm. Mais il y a aussi, il faut savoir gérer les cohabitations. Nous sommes dans un monde où les hommes cohabitent même au service avec les femmes. Il faut savoir gérer cette vie eh, eh, entre les femmes et il faut éviter d'évoquer les images qui ont des relations ou des sujets ou des thèmes qui ont des relations euh, avec la sexualité. Mm-hmm. Ça peut casser les jeunes. Mm-hmm ou bien une cohabitation, même en dehors, euh, une cohabitation vraiment très réduite, même en dehors du mois de Ramadan, il est déconseillé qu'un homme et une femme soient isolés hmm. sans, un, sans, un, sans sans un troisième. Hmm. Donc, euh, le jeune et principalement, l'interdiction principale, en tout cas, c'est d'éviter tout ce qui peut alimenter notre corps. Mhm. Tout ce qui peut alimenter notre corps, sauf en cas de contrainte, si on a une injection à faire, ça c'est un cas de force majeure. Oustaz, euh, comme vous l'avez expliqué plus haut, pendant le mois de béni de Ramadan, il ne s'agit pas uniquement de se priver de nourriture, mais également multiplier les invocations et autres bonnes pratiques. Vous avez cité quelques bonnes pratiques euh, à multiplier, mais quelle est la, quelles sont les bonnes pratiques que le musulman doit multiplier les plus pendant ce mois de Ramadan oh, Les bonnes pratiques, elles sont nombreuses. Il y a des pratiques de nuit, il y a des pratiques de jour il y a des pratiques interindividuelles. Par exemple, le prophète Mohammed a dit c'est lui qui passe la nuit de Ramadan en train de prier, de l'animer avec foi et dans l'intention, dans l'intention d'avoir l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura ses péchés antérieurs pardonnés. Mhm. Et de même que c'est lui, l'époux qui réveille sa femme pour prier la nuit. Et maintenant, la nuit en tant que telle, du cocher du soleil jusqu'au dernier tiers, c'est un trésor. Il faut s'organiser. Et par rapport, par rapport à l'alimentation, le prophète Mohammed a dit que celui qui fait rompre un jeûneur, il aura la même récompense que le jeûneur sans que la récompense de celui qui a donné, celui qui a gêné soit diminué. Mm. La lecture du Coran, comme on le sait, elle est très importante. Et le Coran, c'est un intercesseur, tout comme le jeûne d'ailleurs, le jour du jeûne dernier. Là, d'autres actions importantes, c'est la prière de Traoui. La prière de Traoui, c'est à quel moment La nuit La prière de Traoui, c'est après la prière de Isha, qui est également une prière mhm. très importante. Et il y a également tout zikr, mais de façon générale. Les actions obligatoires sont multipliées mhm. par 70. Par exemple, quelqu'un qui veut prélever la zakat, sur le fait ou qui prélève, sur le fait pendant Ramadan, l'importance est multipliée de 70 fois. Et toute œuvre qu'on fait, prière surrogatoire qu'on fait, euh, chaque jour, tous les mois, pendant le mois béni de Ramadan, elles sont les œuvres surrogatoires, les œuvres euh, sunna sont élevées au rang de prières en importance mhm. des œuvres obligatoires. Et les œuvres surrogatoires sont élevés au rang de la sunna. Le jeûne même du mois de Ramadan, quels sont ses bienfaits pour le musulman, le fidèle pratiquant Le jeûne béni du mois de Ramadan pour le fidèle, ce que ça, le, ça donne l'organisation au fidèle, ça purifie physiquement. Et pendant 11 mois, on mange n'importe quand, n'importe comment et de plus en plus de n'importe quoi le long de la journée. vous savez, c'est comme nos appareils et n'importe lequel. Parfois on fait maintenance, parfois on fait vidage, parfois on démonte, on fait révision pour, pousser les choses. Donc les jeunes jouent le même rôle. Hmm. Les jeunes nous donne la sagacité intellectuelle, il nous rend léger. Une fois que tout est épousseté, tout est dégagé, on se rend léger et on a, permettez-moi, entre griffes, on a un esprit, une sagacité intellectuelle, parce que tout est parti et ça nous donne des pensées positives. Plus qu'on est comblé matériel, plus on est tenté et à, à l'arrogance plus on est tenté à l'arrogance, plus on est tenté à, comme on le dit, à la grosse tête, à l'ostentation. Mais le jeune nous ramène sur le rail. le jeune nous, nous ramène spirituellement, nous rend léger nous fait déguster le délice de l'adoration de Dieu. Comme toute bonne œuvre, le jeûne du mois de Ramadan est un moment opportun de récompense pour tout fidèle. Quelles sont les récompenses euh, donc réservées à un jeûneur euh, Celui qui jeûne avec foi, avec abnégation, comme ça se doit. Avec l'agrément d'Allah, il finit comme le jour où il est né, propre. C'est pourquoi il convient de, le rappeler. Il est important pour nous les fidèles d'avoir le souci de réunir les conditions, de réunir de réussir les jeunes de chaque jour pour sortir admis. Et mm. comme toute action obligatoire, la récompense d'un jeune réussi, c'est le paradis de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Pour finir, euh, Oustaz, euh, quel appel à tous les musulmans pour réussir euh, un bon mois de Ramadan Pour réussir un bon mois béni de Ramadan, il faut observer scrupuleusement ce qu'on nous a recommandé de le faire, mais notamment retenir sa langue. Nous sommes trop tentés et même habitués à parler les uns des autres. Ça, c'est permanent. Et il faut aussi que nous parvenions à nous dépasser, à soutenir. Allah aime ceux qui ont le bon cœur. Il faut que nous parvenions à nous dépasser. Le pouvoir, la richesse, tout bienfait, c'est Allah qui le donne. Donc, tout ce qu'on voit avec quelqu'un, il faut qu'on sache que Allah est là, elle peut nous le donner. Évitons hmm. Évitant les mauvais souhaits, les mauvaises paroles euh, ou les comportements de nature à détériorer. Merci. À détériorer son prochain, les biens de l'honneur, la, les biens euh, de son prochain ou à détériorer l'acquis que quelqu'un a eu. Hmm. Donc, retenons nos langues, mais surtout soyons généreux avec nos deux géniteurs, nos voisins, les orphelins qui nous naissent, avec le prochain. Soyons plutôt portés à être au service de notre société. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi a dit de notre société et de nos prochains. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi a dit euh, soyez miséricordieux avec ceux qui sont sur la terre et celui, qui est dans le ciel le sera à votre égard. Donc cela est très important. Souhaitons plutôt du bien mm. aux autres et Allah nous assistera à faire le jeûne comme ça se doit. Et Allah nous assistera à multiplier les bonnes œuvres comme ça se doit. Et Allah nous assistera donc au point où nous aurons son agrément. Merci Oustaz pour toutes euh, ces explications et ces précisions. Ramadan, un mois béni, de, un mois béni plein de miséricorde, plein de récompenses pour tout fidèle. Alors, comme on l'a si bien compris, chers auditeurs et auditrices, il faudrait nécessairement multiplier nos bonnes œuvres et éviter tout interdit afin de bénéficier des récompenses et réussir un bon mois de Ramadan. Et c'est ici que se referme le forum de ce soir qui portait sur euh, l'origine et la signification du ramadan. Nous étions avec euh, Oustaz Haladou Yahya, il est prédicateur. À la présentation, c'était Nafis Adam Sirfo, à la technique euh, Tchambiano Abdelkader. À très bientôt pour une autre thématique et très bonne rupture de jeunes à tous.